gërëm di sant directeur u IPM bu Thiès ci invitation bi mu ma def ma ñëw fi Thiès te mu won ma tamit makhanu IPM bi fi nekk li ma ci gis rek moy mu nak cënk ci lu soxal li wax excellence ci lolu étudiants yi nga xamni dañu am baccalauréat ñëw di def licence dañu leen mayit ñu def BTS muy xale bi suy am licence bi da cay booleyaale beneen diplôme te ci BTS yooyu li ma gis tamit 2013 euh, ak léegi IPM am na tur ndax euh, am na ay BTS yu bare ki raw ci biir réew mi fii la suqi ko loolu nag dafa am solo ndax euh, li bëgg ci carte universitaire bu bees bi moo di gox goxaan yi ñu am ay daara yu kawe te ñu mun a diirante mbagg ak yi nekk ci pays yu réew mi muy dakaar ak dëkk yu mag yi naka Ndar naka Ziguinchor naka Bambey ak lu mel noonu ñaareel bi aussi lu ñu gis euh, ipem dafa bàyyi bu baax xelam ak xalaatam ci digle yi nga xam ne ANAQ-Sup da ko jox ndax gis fi mu am cellule assurance qualité gis naa fi taxawal bibliothèque Fi nak ci Midi Pyrénées li ma yem euh, yéem moo doon bi tour bi nak ma laaj ko directeur directeur ni ma turu day màggal parce que papam ancien combattant le. té carte bi mu yoron Pyrénées Atlantique lañ ko ko defaralee té di ci sargal waale bép ancien combattant loolu nag lu rafet la te bu ma demee ci salle de classe yi te xale yi teeru ma ñeenti xale yi ñu teeru ma dama gis ni dafa jiital excellence ndax su tànnee taxawal classe su sixième boo xam ne juróomi xale rek moo ci nekk moo di wutul alal ndax ku nekk xam na ni sax fukki xale motul ngir rentabiliser benn classe bon dafa am loo xam ne moo ko soxal mooy excellence bi te excellence bi lañu ñu bugg ñun ci daara yu kawe yi gis naa it fii xale yi di jànge seen classe yi ndax xale bu nekk dafa am taabalam ak chaise am gis nañu aussi ordinateur yi fi nekk loolu yëpp day wone rek nii fii IPM ñoom moom directeur ñi koy jàppale yëpp jàngalekat yi ak ndong yi fay jàng bàyyi nañu seen xel ci affaire excellence loolu nag dañu ko ci gën a encouragé félicité ko te it gis nañu yëpp tamit wérgu yaramu xale yi aussi soxal na ko ndax bàyyi na ci xel am na ay lënkoo yu mu lënkoog benn hôpital bu fi nekk te ci loolu sax gis nañu ni alal bi mu fay def su desee dañu koy jox ñi nga xam ni seen loxo jotul te ñu soxla ko bon nag gërëm directeur UPM gërëm tamit ñëpp ñi lay jàppale te encouragé ndongo yi excellence Cependant, derrière ces résultats appréciables se cache un homme modeste, dynamique, travailleur, visionnaire, un exemple de réussite, dirais-je. Je veux nommer M. John, le président, Il mérite ses applaudissements. Il n'a jamais cessé de ménager aucun effort pour faire venir les meilleurs professeurs de Dakar afin d'offrir à la population quéchoise, sénégalaise et africaine en général une formation de qualité, de haut niveau, je veux dire, alliant savoir, savoir-faire savoir-être. Donc, je ne saurais terminer mon discours sans m'adresser à mes petits frères et sœurs actuellement étudiants à l'IPM. E je jette comme un pavé dans la mare cette pensée pleine de philosophie de Mère Teresa qui disait, je cite, La vie est une chance, saisis-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est précieuse, la vie est un mystère, perce-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une aventure, lance-toi à bras le corps. Fin de citation. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le directeur général de l'Institut privé africain en informatique et management de Jess, Monsieur le représentant du maire de la ville de Jess, chers camarades étudiants, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Permettez-moi tout d'abord de joindre ma voix à celle de l'administration pour souhaiter la bienvenue à nos illustres invités. C'est pour nous un plaisir autant qu'un honneur de vous compter parmi nous ce matin à l'occasion du cycle des grandes conférences de l'Institut privé africain en informatique et management de Jess. L'exercice est laborieux, je dirais même périlleux lorsqu'il s'agit de parler de personnalités qui a toujours œuvré à faire de l'éducation supérieure sénégalaise une référence en Afrique et dans le reste du monde. Je vous citer par là Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Maritonia. Mais aussi, je veux exprimer ma gratitude envers ce grand institut de commerce qui est l'Institut privé africain en informatique et de management du Chess, car entre IPAIM et les étudiants, c'est une histoire de cœur. Et je pense que les anciens ne diront pas le contraire. Cet institut au sein duquel on passe la majeure partie de nos journées ne peut qu'être qu'un berceau pour nos étudiants, le lieu où naissent nos ambitions, le lieu où se créent des amitiés, mais surtout on tente du savoir. Cette grande fraternité entre étudiants, la symbiose, mais aussi la volonté sont autant d'éléments qui facilitent et justifient les bons taux de réussite enregistrés dans l'institut. À IPIAIM, les cours sont dispensés par des professeurs talentueux qui, au-delà de la qualité des enseignements, constituent des modèles pour nous. En effet, la proximité avec ces professeurs font qu'ils sont toujours prêts à aider et les cours sont plus pratiques que théoriques. C'est aussi l'occasion pour nous étudiants de rendre grâce à notre administration, toujours dévouée à la tâche qui, en dehors de l'encadrement éducatif, intervient au niveau social, donne des conseils et nous accompagne. Donc cela montre que vous avez fait du chemin. Donc il faut continuer et ne pas vous relâcher. Je dis aussi que nous, nous servons Thiès. Et en servant Thiès, nous allons essayer de servir le Sénégal. C'est l'occasion de saluer la délégation de l'association civile du Sénégal qui est venue aussi participer à la fête à, à, à Merci. Monsieur, d'avoir, et mademoiselle, d'avoir accepté de venir sur ce de Maintenant, nous allons passer la parole aux pionniers. Quand je dis pionnier, c'est parce que c'est rare de voir un représentant, un originaire d'une ville, créer un institut aussi, euh, disons, dans un secteur aussi difficile que l'enseignement supérieur. Donc, ce risque qu'il a lui, c'est pourquoi que je dis que c'est un pionnier. Parce qu'il a pêché dans un endroit où il n'y avait rien. C'est, je peux nommer, le frère, le cousin, le fils, M. Omar Dion. M. le directeur général, vous avez la En décidant de créer le groupe, j'ai voulu apporter ma contribution à l'œuvre de construction nationale, puisque convaincu que l'éducation dans son acceptation la plus large est le socle de toute politique de développement socio-économique. Le processus, cependant, n'a pas été un long fleuve, tranquille bien sûr. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à mes parents et amis qui m'ont permis de faire face aux différents écueils qui se dressait sur mon chemin. L'objectif visé, disais-je donc, a été et l'est toujours de doter notre région d'un établissement dont les standards de qualité seront comparables à ce qui se fait de mieux en la matière. J'ose avancer que cet objectif est en train d'être atteint. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de mettre à profit cette tribune pour lancer un appel solennel à nos autorités nationales comme locales en les invitant à prêter une oreille attentive aux initiatives privées qui, à mon sens, favorisent le plein emploi et, partant, l'émergence nationale dans recherche. Monsieur le ministre, le groupe IPEM, dans sa configuration actuelle, c'est le volet moyen secondaire. L'enseignement supérieur avec des filières fortement tournées vers la professionnalisation afin de favoriser l'insertion des diplômés. Comme l'a dit tout à l'heure le président de IPEM Family, c'est euh, l'amicale des anciens de IPEM. Ce qui fait que nous trouvons nos produits dans beaucoup de structures de la place et au-delà même. Pour la rentrée prochaine, si Dieu nous, le, si Dieu nous prête vie, nos ambitions est de démarrer deux cycles, un cycle élémentaire, mais aussi un cycle préscolaire. Ceci nous permettra ainsi de prendre en charge toutes les composantes du secteur de l'éducation. Avec cette présence, nous pourrons ainsi assurer à nos jeunes compatriotes une formation qui leur permettra, avec l'avantage de rester imprégnés dans nos valeurs socioculturelles, de tenir la concurrence face aux étudiants sortis des plus grandes universités du monde. Ce qui constituera la contribution du groupe à la consécration de l'une des directives présidentielles qui est de développer le label étudié au Sénégal. Pour y parvenir, entre autres mesures à prendre, mon équipe et moi avons travaillé à satisfaire aux exigences de l'autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, tant sur le plan pédagogique que sur le plan administratif. À ce titre, le groupe tient à remercier très chaleureusement le professeur Ben Sikina Togobay qui nous a accompagnés dans ce processus dont l'importance, du égard à nos ambitions, n'est plus à démontrer. C'est aussi le lieu pour moi de rendre hommage à mes collaborateurs qui de jour comme de nuit s'active pour maintenir haut le flambeau du groupe IPEP. E Mes remerciements aussi au corps professoral qui, de par leur professionnalisme et leur dévouement, accompagnent au quotidien nos étudiants. Monsieur le directeur de l'IPM, e Monsieur Oumar Diong, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, M. Leroux Dramé, M. le modérateur, professeur Meissa Diakhaté, Monsieur le représentant du président du club Sénégal émergent, professeur Papis Ndoye, Monsieur le président de l'association Servir la Cité, chers collègues enseignants-chercheurs, Monsieur le Président des alumni de l'IPM, Mademoiselle euh, la Présidente de l'Amicale des étudiants de l'IPM, chères étudiantes, chers étudiants, mes chers amis élèves de l'IPM, honorables invités en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, qui j'ai senti cette ambition de servir la cité, cette ambition de servir l'éducation et la formation, et cette volonté d'aller vers l'excellence. Et les résultats de vos élèves prouvent qu'étant à Thiès, vous avez une structure d'excellence. Toutes mes félicitations. Je voudrais remercier le modérateur. Et je pense que vous avez fait un excellent choix. J'allais dire, c'est comme s'il avait lu mon texte. Et vous allez vous en rendre compte. Même les auteurs qu'il a cités, il se trouve que certains sont aussi des références que j'ai citées dans mon texte pour dire qu'il y a comme une conjonction et d'idées autour du plan Sénégal émergent, ce bébé du président de la République. Le plan Sénégal émergent mis en orbite par le président de la République, M. Macky Sall, en 2014, a pour objectif de conduire le Sénégal à l'émergence économique et sociale en 2035. C'est-à-dire bien après que si le peuple sénégalais faisait confiance au président de la République en lui donnant un second mandat, bien après ce second mandat. Il est bâti autour de trois axes. L'axe 1, la transformation structurelle de l'économie et la croissance. L'axe 2 qui nous concerne plus particulièrement, le capital humain, la protection sociale et le développement durable. L'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Il faut souligner tout de suite qu'en réalité, l'axe 1 et l'axe 3 sont portés par l'axe 2. Il ne peut pas y avoir croissance économique, il ne peut pas y avoir paix, sécurité et gouvernance si nous n'avons pas un bon capital humain. Et pour faire le capital humain, il faut l'éducation et la formation. Depuis sa mise en œuvre, le Sénégal semble être entré dans une nouvelle ère faite de défis relevés, de performances économiques et sociales exceptionnelles et jouit d'une considération et d'une administration renforcée sur le plan international. C'est une illustration parfaite puisque euh, quand j'ai obtenu l'année dernière ma licence 3 et mon BTS en transport logistique, j'ai été commercial d'abord dans un centre d'appel. Par la suite, qu'on m'a appelé dans un cabinet expert logistique à Dakar. Là-bas, je suis, lors de l'entretien, j'avais signé euh, un contrat de stage avec mon directeur mais un mois après, maintenant, je suis assistante administrative et logistique du cabinet. C'est juste pour dire qu'à IPM de Tiet, on nous inculque des valeurs qui sont la rigueur, le travail, vraiment et tout ce que nous faisons, nous recherchons des compétences. Donc vraiment, je tenais à rendre ce vivant hommage à Mouché Diong, qui est un homme qui croit en Thiès. Et je pense que si on, avait, aurait 14 Mouché Diong dans les 14 régions du Sénégal, on aurait un Sénégal plus Merchant. Merci. Je suis très honoré par euh, le choix porté sur le ministre Marie tout simplement pour vous dire que il est à la fois mon ministre, parce que je suis professeur à la faculté de médecine, moi, encore une fois, il mérite des applaudissements. Michel Marito Nian également professeur dans un domaine très pointu, les mathématiques. Juste une anecdote. Quand j'étais au lycée, quand après, après mon bac, j'ai toujours, j'ai jamais vu l'utilité des mathématiques au-delà du lycée. Aujourd'hui, je suis professeur, je suis plus connu dans le milieu du sport parce que je suis master qui de football. Mais je suis professeur en médecine nucléaire. La médecine nucléaire est très peu connue du monde, encore moins du Sénégal. Ce qui m'a poussé à surtout prendre la parole, c'est par rapport à ce qui expliquait il y a un peu plus de quinzaine d'années, on n'osait pas parler du nucléaire au Sénégal. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Moi, je suis professeur en médecine nucléaire. Il a parlé d'accélérateur de particules que j'ai eu à manipuler lors de ma formation en France. L'appareil porte le nom de cyclotron. Et imaginez-vous, le cancer on connaît bien l'incidence du cancer au Sénégal. Et il a eu à dire que le cancer pouvait être guéri grâce à un appareil, un accélérateur de particules qui porte le nom naturellement de cyclotron. Et le Sénégal va en disposer à dire bientôt. Et c'est un appareil qui traite le cancer en stade où il n'y a que quelques cellules cancéreuses ce qu'on appelle le stade infractuelles. Tout le monde sait qu'ici, quand le patient vient à l'hôpital avec son cancer, il est déjà trop tard. Donc aujourd'hui, on va disposer, et ça c'est devenu une réalité, le cyclotron va être opérationnel et des cancers seront dépistés de façon très précoce et les traitements insuffisants. Donc encore une fois, je suis très honoré de l'entendre ici dans ma ville où je suis non seulement euh, fils de pièce mais également un élu local. Je suis euh, conseiller municipal et également conseiller départemental. Donc, encore une fois, je remercie vivement. je suis très passionné par cette conférence. Si je devais le qualifier, il y a des concepts. Marie c'est l'équité. Marie c'est la réduction et disparités. marie c'est la qualité, la valorisation. À côté de marie je pense que Dieu fait bien le choses. Je m'adresse à mon grand frère, directeur ici présent. Et j'ai eu la chance, on a eu la chance, moi, de fréquenter la même école en France, je pense je me suis rendu compte qu'on a fait la même école en France, c'était à Tours. Donc, il n'y a pas de Une, des grandes écoles euh, européennes. Donc, encore une fois, ce que j'ai retenu le plus par le discours, parce que Marie-Jo nous a habitués à des conférences extraordinaires, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand il dit que le PSE dérange, le PSE est à la mode. Moi, je dirais que le PSE dérange, le PSE et à la mode, parce que le PSP e, c'est une vision. Le PSP e, donc, est pertinent, sa mise en œuvre a été accélérée et ses résultats sont spectaculaires. Mangi suis Omar di directeur IPM qui invité à grande conférence bi nga auditorium université de Thiès di sargal ñi étudiants et nga élèves yi conférence bi plan Sénégal émergent la avons ko def ndax plan bi Santé. santé le ndax euh, indicateur yi wane mu ngi dox yëpp dañu baax te mun nañ ko firndeel ci lu bare ci mbéy mi ci càmm gi ci napp mi ci jàng bi ci tamit euh, tabax ay bâtiment jàngukaay tabax ay tali tabax ay pon defar ay périmètre irrigué yaatal réew mi gën a indi kaaraange ci réew mi mun nañu wax ni loo lim lu bare lépp am na loo xam ni nguur gi def na ko te muy jëriñ te loo xam ni ku nekk teg nga ci sa bët te réew mi aussi plan Sénégal émergent li mu indi amatul ñi dëkk ci réewu taax yi ak ñi dëkk ci kaw gi ndax mun nga ci dëkk ci réewu taax bi nga am courant nga ami électricité wante réewu ko dëkk kaw yi tamit président Macky Sall taxawal na programme bu tudd PUDC ngir indi ndox indi courant woyofal jigéen ñi seen liggéey indi tamit ay yoon ngir jokkale dëkkuwaay yooyu ngir mbéy mi ngir càmm gi ngir tamit su nit feebaree mu mun a dem fi mu mun a fajoo mbaa fi muy jaayee te mu yomb ko loolu yëpp ci defaraat réew mi la loolu nag li ci ëpp moo di gis nañu ni résultat yi gaaw nañu résultat yi takku nañu loolu sax peut-être moo indi jiixi jaax ci bopp ñu bare ndax dégg la ni ñu doon doxalee 60 bi 2012 eh, fekk yàkkamti léegi dañu yàkkamti dañu gaawantu ndax xale yi ñu ngi màgg réewu xale la ndax tamit ñi amul liggéey dañu sàkkan te réew su koom-koomam gaawul yokkuwul lu gaaw liggéey du am yooyu yëpp moo indi yàkkamti bi loolu nag li may wax mooy na ñëpp ànd nekk benn ndax ànd nekk benn teewul yow sa bëgg-bëgg nga am ko ndax nekk démocratie état de droit moo di suñu xesee fal nit te tey kenn la ñu fal ci Sénégal muy président Macky Sall na ñëpp topp ci gannaawam ndax moom la ñu jox dogal moom rek moo am pouvoir ni yoon bii la Sénégal di jaar ba bés bi mandaam jeex su mandaam jeexee nag ku bëgg a laajte nga samp sa ndënd nga laajte wante diggante boobu ak léegi équipe bu Sénégal rek la ñu tal na ñëpp ñëw ci équipe bu Sénégal bi ñu fexe bi équipe Sénégal di marqué ay bi di gagné ndax ëllëg su fekkee ni yow yaa ñëw suñu marqué bi yu bari yow tamit di nga mën a avancé mais su fekkee ni li ñuy def soo ko bëggee yàq ah soo ñëwee da ngay defaraat bala ngay continuer bon mal ñaan rek ñu soppi jikko yi ñu ànd liggéey suñu réew suñu gisee ay tolof-tolof mais ñu wax ko ñu ñu defar ko et puis ñu continuer mais ñu nekk benn ndax yeneen réew yëpp noonu la ñuy def